irniqaw yel matmasa shel yaw babalale isticho kalangu nakone yaw sankalberi yaw wondiyo waloso yaw isticho kalangu sijire nise maso maso Kalangu, kalangu, au rythme du Niger Bonjour à tous et bienvenue dans Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire à vous les jeunes. Aujourd'hui, on va parler de sport et de la santé. Vous le savez, c'est de plus en plus de la mode chez les jeunes de se rendre dans les salles de gym pour faire de l'exercice. Et ça tombe bien, nous sommes à Omega Fitness Club, une salle de gym, si je peux le dire, luxueuse de Niamey. Et ça, barkamu de yo, fada à tous fada yau muna omega fitness za mu bisa amfanin motsa jiki motsa jiki kun san yana da amfani tout au long de cette émission vous aurez des bons conseils pratiques de, de médecins sur la pratique du sport il y aura de la musique enfin notre chroniqueur Olivier nous fera un point sur les événements intéressants à ne pas louper cette semaine avec moi docteur Ango il est médecin de sport bonsoir docteur Bonsoir, Bonsoir. Votre nom Abdelouab. Abdelouab Oui, coach Abdelouab. Coach Abdelouab, bonsoir. Bonsoir. Et un jeune sportif qui va nous rejoindre d'un moment à un autre. Je suis fils Adam Sifo. Bienvenue dans Tous à la Fada. Au rythme du Niger. Je vous le disais, nous sommes euh, actuellement à Omega Fitness, euh, dans la salle d'Omega Fitness, la salle de gym, euh, si je peux le dire, une salle très luxueuse et bien équipée. Comme vous pouvez l'entendre autour de moi, il y a des gens qui s'entraînent soit avec l'alter, qui sont sur les tapis roulants. Alors, docteur, ma première question pour vous, pour un jeune débutant, un jeune sportif débutant, combien d'heures de sport il doit pratiquer par semaine pour se maintenir en forme nous, ce que euh, nous faisons au niveau du, sport en général, pas du football seulement, quand nous prenons les, jeunes à partir de 14 ans, donc c'est ça qu'on appelle les caddies, c'est trois fois par semaine, surtout pour les salles. C'est trois mhm. fois par semaine, ça ne dépasse pas trois fois. Et il y a un moniteur, comme ici on appelle coach, mhm. et qui s'occupe euh, des appareillages, surtout de l'équipement qu'ils doivent choisir et avec lequel ils vont commencer et le temps en fonction de la, du gabarit, il y a le gabarit et puis il y a les dispositions pratiques du jeune. Et donnez-nous quelques exemples de temps. Donc, par exemple, un jeune qui est performant, lui, il peut, faire même, il peut, il peut même commencer à faire du renforcement musculaire. Par exemple, les, jeunes qui ne sont pas à la hauteur, on leur dit de faire vraiment attention. Donc, il y a vraiment des exercices qu'ils ne doivent pas faire. Mais sinon, bon, tout ça, c'est le coach qui dirige. Alors, docteur, quels sont d'ailleurs les bienfaits de pratiquer du sport sur la santé Bon, c'est de bien faire Bon, moi, je pense que d'abord, c'est pour euh, soi-même. Parce que ça permet vraiment d'oxygéner de, tout le corps, surtout le cerveau. Et ça, vraiment, je pense que c'est la première des choses. Et bouger, bouger, bah, vraiment, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça va au moins éviter le sédentarisme. Et puis, plus, bon, légèrement, les gens disent quand fait du sport, c'est pour maigrir. Non, moi, ok, c'est vrai, mais la, la première des choses c'est d'abord contrôler la masse corporelle merci docteur yan uwanmu matasa kamar yadda kuka ji so uku ga sati ya kamata mu dinga motsa jikinmu eh, kuma ya kamata mu rika kula da lahiyar mu kamar in ka fara yin motsa jikin ga kaka je ka shiga cikin wani abu da baka iyawa kaka kai ka jimma ka saboda haka sannu sannu mutum ya kamata ya fara daga baya sai mutum ya zarce alora koc abdul wahaba Nous sommes là avec euh, notre collègue euh, Olivier. Vous pouvez d'ailleurs nous faire une petite euh, démo, démo avec un, exercice simple qu'on peut faire à la maison, vraiment pour rester en forme. Olivier, tu es prêt bah oui, je suis prêt. Alors, quoi, vous pouvez lui expliquer en quelques mots ah, Oui. Ok. Bon, tu sais, en matière de sport, la première chose, c'est l'objectif. Tu veux perdre du poids ou tu veux être musculé genre faire une petite pratique. Euh, une petite pratique, oui. genre les abdos Oui, lui, expliquer, lui montrer un peu comment il doit faire. Ok. Il s'allonge sur le tapis. Il faut bien vous allonger. Et voilà. C'est bon Maintenant, voilà. un exercice simple. Oui. Bah, et plier les genoux. Mhm. Non, plie. Je plie les genoux. Voilà, exactement. D'accord. Maintenant, mettez les mains derrière. Je mets les mains derrière comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez toucher vos genoux 20 fois seulement. Je mhm. touche mes genoux 20 fois. Avec ah. les bouts des doigts. Avec les bouts des doigts. Ouais. C'est-à-dire, je fais comme ça. Vous vous levez juste un peu. Je me lève comme ça un peu. Voilà. 20 <laughs> fois. 20 fois. C'est pas facile. Euh. Hein? Et après, vous allez dire ce que vous sentez. <laughs> Deux. Tu peux pousser le micro un peu. Respirez, respirez. Trois. Olivier, tu souffres. C'est très important, il faut respirer. Quatre. Ouais. Est-ce que quelqu'un compte ou bien c'est moi qui compte <laughs> Olivier souffre apparemment. 6. Ouais, allez. Pose les pieds en bas. Voilà. Euh, ouais. <laughs> c'est comme ça Ouais. Est-ce que quelqu'un compte Là, tu as 12. Merci oh, alors. Merci, merci pour cette ah, petite démo, euh, coach il est en train de travailler le haut des mhm, abdos. Mhm, mhm. Le haut des abdos, en même temps un peu de dorsal. Voilà, merci beaucoup. Et donc, euh, Olivier, avant de suer, il a, il tendu son micro dans la ville à certains jeunes pour comprendre ce qui pouvait motiver les jeunes à, transpirer, à pratiquer du sport. On écoute. Nous sommes euh, au stade général Silikunche. Plus de 100 jeunes qui sont là en train de courir. Il y en a qui montent les escaliers, qui descendent. Il y en a qui font le tour. Il y en a qui font la corde. Il y a un peu de tout, il y a du rollers. Mon attention s'est tenue sur euh, un jeune qui est là. Donc euh, je vais m'entretenir avec lui. Moi, je fais du sport pour garder la forme chaque fois. Parce que vous savez, le sport est très important pour la santé aussi, euh, du côté physique. Le fait de faire du sport te permet vraiment de garder la bonne forme. Et je vois vraiment que c'est ça vraiment l'essentiel de garder vraiment la bonne forme chez l'homme. On s'en va mentir, il y a des semaines vraiment que je peux même passer une fois par semaine. Mais à la maison, je peux faire mon sport particulièrement avec ma famille. Quoi. alors, <laughs> ah, c'est trop souvent. Bon. Je peux manger euh, du riz. Bon, les moi, je fais souvent ici euh, pour que je trouve la bonne santé. Et ça me donne l'énergie de rester et résister, de me laisser toujours en bonne forme. Combien de fois vous venez ici par semaine Bon, par rapport à moi, je fais ça chaque jour. Bon, avant euh, de, faire les sports, je prends des oranges, plus un piawata. Je fais mon sport, mon exercice, 16 fois par jour. Docteur, donc euh, je reviens dans cette salle avec euh, nos invités. Docteur, dans le reportage qui vient de passer, on a compris que les jeunes se préoccupaient bien de leur alimentation. Dites-nous d'abord, c'est quoi une bonne alimentation pour un jeune sportif Bon, pour, les jeunes sportifs, bon, généralement, nous, on les met euh, à, l'internat. Et à l'internat, il y a un menu sportif qui est dégagé, surtout qui est équilibré. Et surtout, on, insiste surtout sur les 5 fruits par jour. c'est la, la, base. Oui. Les 5 fruits par jour. Est-ce qu'il y a des fruits recommandés Bon, il faut que ce soit 5 fruits par jour, sauf les concombres qu'on on, dit de ne pas prendre, parce que là, ça absorbe euh, l'eau corporelle. À part ça, et puis, bah, il y a les choses épicées qu'il faut éviter surtout. Et puis avoir surtout une bonne hygiène euh, alimentaire surtout. kamar yadda kuka ji ya kamata mutum ya ci eh, kayan danyun kaya biyar haka ga ini saboda mutum ya samu ya rike eh, ruwa cikin jikin shi da samu ya eh, dan kai ya yi déshydraté ko c'est ça alors Sandra une jeune sportive vient de nous rejoindre bonjour Sandra bonjour ça fait combien de temps déjà que vous pratiquez le sport Ça fait un an. Et combien d'heures euh, par jour hum, Trois quarts d'heure, une heure. Trois quarts, euh, une heure. Et vous arrivez à vous maintenir en forme J'essaie, il faut. Docteur, euh, trois quarts, une heure, c'est suffisant pour vraiment rester en forme Ça dépend ce qu'elle fait. Moi, je sais pas le temps qui compte. Mhm. C'est vraiment la ponctualité des choses qu'elle fait. Mhm, mhm. Alors, euh, Sandra, pour revenir un peu sur la question de l'alimentation, vous, de vous concernant, qu'est-ce que, quelle est votre alimentation Qu'est-ce que vous consommez je mange beaucoup. Je fais 6 repas par jour. 6 repas composés de quoi exactement euh, Surtout d'aliments protéinés. Après, euh, ça dépend. Mais le, le, médecin vient de le dire qu'il faut vraiment éviter. moi, je bois beaucoup d'eau et je mhm. mange beaucoup tout ce qui est blanc de poulet, mhm. poisson, œufs, légumes. Ok. Et donc, euh, pensez aussi à ajouter des fruits comme l'a indiqué le médecin. Alors, euh, docteur, euh, un auditeur des programmes du studio Kalangu demande, vous demande par texte s'il peut bien pratiquer le sport pendant le ramadan. On le sait que le ramadan, on est à l'approche de ce mois béni de ramadan. Alors, il demande est-ce qu'il peut bien pratiquer du sport pendant le ramadan le, ramadan n'est pas contre-indiqué pour le sport. Il suffit juste de ne pas. Bon, surtout pour un, sportif de haut niveau, là, il ne peut pas tenir. Mais si juste, c'est juste, juste pour faire du sport, vraiment, moi, je pense que. Mais a il y a des conseils pour ceux qui veulent pratiquer le sport pendant le ramadan pour éviter vraiment de suer Voilà. pendant le ramadan, moi, je, conseille plutôt aux gens, même au stade Saint-Coutier, d'aller dans les salles. Parce qu'au moins, il y a un coach, il y a les moniteurs de sport qui les aident moi, je pense que c'est mais il ne faut pas faire pour faire, parce que là, la, il peut avoir des accidents. ba a hana yin motsa jiki ba me in kana so ka yi shi ka san yadda za ka yin shi kuma eh, ka san lokacin da za ka yin shi kamar in haduwar rana ta yi don saboda mutum kai ya yi zuwa ya rasa dan karhin da gare shi saboda haka nan doktor ya kwatanta muna ka bari sai da rana ta hadu nan ka je ka yi eh, sport ka alors docteur une autre pratique chez certaines athlètes c'est la prise des médicaments des médicaments dopants dopants, si je peux le dire. Quel danger euh, de cette pratique sur la santé Bon, généralement, des, les sportifs qui veulent muscler, se muscler, prennent des anabolisants, des, substances euh, disent interdites dopants. Et là, vraiment, moi, je pense que ce qui est interdit, bon, la, personne doit s'abstenir parce que là, il peut y avoir des accidents cardiovasculaires et là, vraiment, et qui peut même entraîner la mort. Surtout quand la personne veut faire une compétition de haut niveau, quand elle est contrôlée positif, euh, là, il, a, il prend des années et puis il est hmm. suspendu. Ok. Sandra, euh, tu es une jeune adepte au sport. Quel exercice euh, tu pratiques le plus souvent Ça dépend en fait. Je fais des cycles en fonction du muscle que je veux travailler. As-tu l'habitude de prendre des comprimés pour te tenir Non, je prends rien du tout. Alors, tu prends en compte les conseils des médecins. Une autre question d'une fille qui nous vient de région, de, c'est la région du Dosso. Je vous propose de l'écouter. Quelles sont les conséquences de la prise des amincissants Par exemple, les comprimés k 3 et autres qui, aident à la, perte de poids. Voilà. Ma seconde question va à l'endroit du coach. Monsieur le coach, quel sport est plus approprié pour un régime bien équilibré alors, docteur, quelle réponse pour cette jeune fille qui demande euh, les conséquences sur la prise oui. 3 comme tous les autres produits, nous, ce qu'on conseille vraiment en tant que médecin, on ne peut pas prendre les médicaments au hasard. Il faut strictement une prescription médicale. on en quatre 3 les gens les, prennent bon pour. Ah, mais moi, je pense que ce n'est pas, pas au hasard. Il faut, il faut faire des examens pour voir d'abord. Euh, la masse corporelle, tout ça, si, si ça a rapport avec euh, la personne, comme ça, là, là, c'est au médecin de décider. Mais ce n'est pas aller en pharmacie payer directement et puis commencer à mm. prendre là, il peut avoir aussi des accidents. Non, non, non. Il faut que maintenant, il faut que, il faut que likitan y gani mutum ya auna shi tukuna shi ne zai rubuta wannan magani. Mm. Mm coach, une autre question de cette fille euh, qui demande euh, les exercices appropriés pour euh, un, un, régime équilibré. Quels sont les exercices appropriés bon, Moi, je conseille le cardio. Le cardio, c'est-à-dire Courir et il y a des mini-exercices qu'on donne. Mhm. Oui, mais surtout courir. Mm, Bon, le sport général que la personne doit commencer avec, c'est courir. Comment mutum ya yi gudu, shi ne yana da kyau ga jikin shi kwa, don ya samu ritim saboda zukiyan shi kwa. Eh, la c'est ça le premier objectif d'accord tout donc euh, avant de poursuivre cette émission nous allons souffler avec une musique du soprano sur le titre de chez le coach il est temps d'aller pousser en enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat, Abdo dips, pompe, barre, Abdo dips, pompe, barre, frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va, va, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. c'est le titre de cette musique de soprano. Alors, nous sommes d'ailleurs dans cette salle avec notre coach, coach Abdelwahab. Vous sentez cette mode euh, des salles de gym. D'ailleurs, cette salle de gym, comment faire pour y accéder Bon, pour accéder à la salle, euh, c'est très simple. Et on a les. On va commencer par les horaires. La salle ouvre de 5h30 à 22h30.

suivre Alors, docteur, comme vous le voyez, cette salle est bien équipée mhm. avec euh, tout le dispositif. Mais réellement, a-t-on besoin de tout ce dispositif pour faire du sport L'importance de la salle même, c'est ça. Il faut un équipement varié. Parce que quand tu vas dans une salle, il y a deux ou trois choses, donc vraiment ça, c'est pas une salle. C'est ça l'avantage. Et puis vraiment, l'avantage de la salle aussi, tu peux faire des rencontres. Et puis vraiment, tu peux travailler en groupe comme tu peux travailler individuellement. Et puis vraiment dans une, dans une ambiance vraiment plaisante. D'accord. Une autre question de nos auditeurs des régions, docteur, et instituteur du département de Douchi, région de Dosso, qui a une question pour vous. On l'écoute c'est juste pour euh, demander les avantages, les avantages du, gym, du gym de l'exercice du corps. Là. Oui, ses avantages et, ses inconvénients s'il en a. Alors, docteur, quel avantage de pratiquer du gym le fitness, comme on le dit, bon, moi je pense que l'avantage d'abord, c'est travailler en harmonie et puis dans une salle bien avec beaucoup d'équipement. Et surtout, les avantages, c'est pour éviter les accidents cardiovasculaires, par exemple, même le diabète, les cancers et surtout le le L'ostéoporose, c'est quoi c'est, une maladie qui atteint les os en les fragilisant et qui conduit à, la fin vers, une, euh, des fractures au mhm. niveau des os. Les jeunes, les jeunes viennent dans les salles de gym, on l'a entendu, si haut pour se muscler. Mais aussi, parfois, il faut bien le dire, pour draguer, c'est ce qu'ont constaté nos confrères du studio Yafa de Piwaga, le reportage de Wassinatou Zungrana. Euh, <laughs> Un rire pour masquer sa gêne quand on lui demande s'il a dragué ou s'il s'est fait draguer dans une salle de sport. La barbe au menton mais le visage juvénile, Josué fréquente depuis cinq mois la salle de sport pour sculpter son corps. Je n'ai pas dragué, <laughs> mais c'est le feeling quoi. Chacun a son chacun son goût si je peux me permettre de dire. Il y en a qui peuvent voir juste l'habillement, ils s'en foutent du visage ou de la forme, voilà, et puis ils kiffent. Cela fait une année qu'elle fait du sport en salle pour perdre du poids. Sylvie, comme nous avons choisi de la nommer, a moins de 30 ans. Elle s'est faite draguer au cours d'une de ses séances de sport. Je n'ai même pas prêté attention, je n'ai pas accepté parce que je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour faire le sport et donc pour me faire draguer les lieux où la sueur et l'effort physique sont de rigueur sont aussi devenus des espaces privilégiés de rencontres amoureuses. Le sport est aujourd'hui un bon prétexte pour côtoyer, draguer et plus si affinité. Draman Sawadogo est moniteur de sport depuis trois ans. Dans le milieu du sport, c'est encore plus particulier. Pourquoi Parce que dans le milieu du sport, il y a ce qu'on appelle l'adrénaline qui est là. Il y a les hormones qui sont là. La sueur, la transpiration, l'effet de voir des hommes en avec des muscles ou des femmes aussi en short moulant. C'est normal. Ça peut créer des, des désirs de l'attirance. Et non loin des salles de sport, mais tout aussi fréquentées, il y a les terrains de sport de quartier. C'est sur l'un de ces terrains de basketball que Charles Traugo a rencontré celle qui sera sa moitié comme le dit souvent le mot bon, le mouton broute là où il est attaché, c'est vrai. Et je peux dire le fait de pratiquer le même sport, bon, ça a vraiment renforcé notre relation. C'est également au cours d'une compétition de basketball nationale qu'il a fait sa demande en mariage. Un geste romantique qui a d'ailleurs fait le tour de la toile. Aujourd'hui, Charles est seul à se rendre sur le terrain de basket. Vu qu'en 2018, on s'est marié et elle est tombée enceinte, donc euh, elle est présentement un chômage technique parce que le bébé est là. Tout comme les mouvements de musculation, d'aérobie et de maintien, certains adeptes des salles et terrains de sport considèrent la drague aussi comme un sport. <laughs> le reportage de Wassinatu Zongrana depuis le studio Yafa de Ouagadougou. Alors, Sandra, est-ce que vous avez une fois été objet de drague, vous aussi Pardon Vous avez une fois été objet de drague <laughs> Non, du tout. <laughs> Alors aucun homme ne vous a abordé Non, parce que quand je viens, en fait, je me concentre vraiment sur ce que je fais. voilà. Euh, je vois rien d'autre que, mes machines de sport. Alors, merci Sandra. On va devoir prendre congé de vous puisque vous devez retourner vous muscler. <laughs> Alors, à très bientôt et merci, vraiment. Coach Abdelwahab, euh, comme vous l'avez entendu dans les salles de gym, ce phénomène de drague, est-ce que ici c'est courant dans votre salle hmm, Non, non, non. Ici, ici, non, non, non. En tout cas, j'ai jamais vu. Alors, euh, avant de continuer, on va souffler une fois de plus avec euh, le morceau de Guess Banda sur le titre Kilingado. retour dans cette salle de gym où vous pouvez l'entendre, chers auditeurs et auditrices. Les athlètes, ils sont à pied d'œuvre pour s'entraîner. Alors, une autre question d'un jeune depuis Maradi à l'endroit du docteur, on écoute. J'ai fait 96 kilos pour 1m83. Apparemment, je suis en surpoids. J'ai tenté même euh, la gymnastique. Vraiment, j'ai des douleurs partout et parfois des palpitations même. Est-ce que vous me conseillez pour éviter tout risque de blessure Comment je vais faire euh, aussi pour essayer de normaliser mon poids Alors, docteur, il parle de surpoids. Quelle réponse moi, je pense que quand il a dit qu'il est parti dans une salle, certainement, peut-être qu'il est parti comme les autres, de lui-même, fait ce qu'il veut. Parce que normalement, quand tu vas dans une salle, c'est même l'avantage, parce que là, tu es suivi par un moniteur. Et là, normalement, le moniteur, c'est normal, il a fait ses compétences avant de venir. Il doit pouvoir. Mais si la personne fait d'elle-même ce qu'elle veut, ou bien quand après le sport, il n'a pas une bonne hygiène de vie, c'est normal qu'il ne va pas to yanzu eh, doktora kamar mai akwai mutane masu babban jiki in suna so su fara motsa jiki ya ne za su fara don vraiment kasu ta yi su jimma kansu don mun san mai babban jiki inda ya zo ya ce garza ya bisa kan wani motsa jiki ya iya jimma kanshi kamar da me zai kamata ya fara to na mama in bai da eh, moyen da zai ta yi cikin sal ya kamata ta yi gudu ko ko yi mashi rapid 30 eh, minutes da mashi rapid da ya yi amma in yana da ma moyen ta cikin sal kin akwai wanda zai kula da yana zai kula da wannan ba wannan ya zo da ya ce shi yana so dai ya rage ne mm. sauran ba ake ba ba ganin shi bane mm. to ga wani matashi da ya zo yanzu gashi nan dai kusa gare mu eh, shi ma matashi ne da yana motsa jikin shi a nan cikin sal omega fitness alors bonjour monsieur bonjour présentez vous Euh, je m'appelle Jalour de Tanguy, mhm. euh, je suis sportif. Oui, euh, donc vous êtes abonné à cette salle. Et donc, quel est le sport le plus que vous pratiquez ici euh, bon, moi je viens ici pour euh, la remise en forme, mhm. pour un peu dégraisser aussi. Donc euh, deux sports sont mes favoris ici, c'est vraiment tout ce qui est fitness mhm. qui me permet de dégraisser, de maintenir la forme et la musculation. Je vois que vous êtes un peu costaud si je peux le dire. <laughs> donc combien d'heures vous faites par jour vraiment Bon, tout dépend, tout dépend parce que je suis quelqu'un de de, très occupé, je vais dire. Donc, j'essaie vraiment de venir à la salle au moins 3-4 fois par semaine. Et quand je viens, j'en ai pour 3-4 heures. Docteur, pour une personne de son gabarit, est-ce que 3-4 fois par semaine, c'est suffisant pour... Bon, comme il l'a dit, il est, pas, il, est, il est, très occupé. Moi, je pense que déjà, il a fait un effort. Eh? En venant 3-4 fois par semaine, c'est déjà vraiment... Il a fait beaucoup. Hein? -hmm. Alors, euh, coach, euh, da ƙarshe kamar iya ce ma matasa masu son su shiga su su fara motsa jiki me za iya hidi musu? conseil din da ah, par rapport à l'e-sport mm-hmm. c'est très important mm-hmm. motsa jiki y jiki yana da abun c'est très yana da kyau voilà yana da kyau mm-hmm. da lahiyar jiki voilà la hier, jikin mutum D'accord yadda kamar kuka ji shi eh, coach ma ya ce mutum ya dinga motsa jikin shi saboda yana da kyawu bisa kan lahiyar jiki alors, avant de clôturer cette émission, place à présent à la chronique de celui qui a bien transpiré, Olivier. Tu es prêt pour ta chronique Oui, je suis prêt, Inafissa. Et de ton côté, c'est prête aussi D'accord. Tu as repris des formes, je pense bien. Euh, je crois qu'il faut beaucoup travailler avant de quoi tu ne t'as pas trop fait souffrir Non. Alors, vas-y pour ta chronique. <laughs> les amis, cette semaine est marquée par un peu de tout des sorties de films qui seront projetées au canal Hippodrome pour ceux qui sont à Niamey, de l'emploi pour tous, c'est-à-dire nos amis des régions de l'intérieur sont aussi concernés. Et tout ça, on peut avoir toutes ces offres-là sur le site d'emploi Niger Emploi. Nafisa, est-ce que tu es prête pour euh, le reste de la chronique Oui, vas-y Olivier. Alors, euh, Déjà, demain, le vendredi à 17h, vous pouvez suivre le film d'action Avengers Endgame. Bref, pour ceux qui ne le savent pas, Avengers Endgame, c'est le 22e film de l'univers cinématographique des Marvel, c'est-à-dire des super-héros comme nous connaissons tous, les Spider-Man et tous sont revenus cette fois-ci dans un nouveau film qui a déjà battu record de 1,2 milliard de dollars de recettes mondiales lors de son premier week-end d'exploitation. Un programme très intéressant pour les cinéphiles d'ailleurs. Ah ben oui, et pour les tout petits, Nafissa, je mhm. crois que là, il faut vraiment penser à nos amis jeunes et les tout petits. Ils peuvent également suivre le dessin animé Le Parc des Merveilles. Mhm. top dans le monde de l'emploi. Il y a <laughs> beaucoup de nouveautés. Il y a d'abord euh, UNICEF qui vous propose, chers demandeurs d'emploi, des postes de maintenance d'alarme. La Croix-Rouge internationale recrute également un chargé de santé du personnel. Mm Je crois que nos amis qui sont des artistes aussi sont intéressés par une offre euh, de l'Institut français qui est Visa pour la création. Est-ce que j'ai un peu de temps pour dire ceux qui sont concernés Juste quelques, une minute. Voilà, sans concerner les artistes africains qui proposent euh, un projet de résidence se déroulant en France et qui sont dans le domaine de l'art du visuel, la photographie, l'art numérique, l'architecture, le design et les métiers d'art. Vous pouvez vraiment postuler en allant sur Internet et en tapant visant pour la création. Juste une dernière partie, <laughs> Nafisa, pour les femmes. Les femmes Empower clôturent le 4 mai le programme de formation Étincelle, un programme qui accompagne les femmes qui ont des projets d'entreprise. Si vous êtes femme, vous avez un projet d'entreprise, en tout cas, vous pouvez maintenant postuler sur euh, empower.com et essayer de participer à ce programme-là qui va vous aider dans votre business. Merci Olivier pour cette euh, chronique combien importante et intéressante. Kamara yadda kuka ji abokin aikin mu Olivier ya muna bayani biskan abubuwan mahimmanci da za su zo satin ga na sama kamar euh, waɗanda ke neman aiki za ku ita ya biskan Niger Employer akwai aiki da yawa da aka sa a euh, zaman ku za ku ita ku aje dossier in ku da za ku compose yara ƙanana kuma akwai vraiment abubuwan da za ku iya kalla ga tele kuma masu kallon kallon film akwai program a alishan da aka yi muku mata ma ba amince da ku ba akwai abubuwa da yawa da aka ajiye saban da ku saboda haka eh, wanga sati ku zamna ku saurare mu za ku ji bayani alors merci à tous nous sommes donc au terme de ce grand débat tous à la fada comme vous l'avez bien entendu le sport est très nécessaire et nécessaire pour le maintien de son corps en bonne santé, mais il faudrait bien le pratiquer pour éviter tout désagrément Merci à nos invités. Nous étions dans la salle Omega Fitness, une, salle de gymnastique avec euh, Dr Angoua Damou. Merci docteur. Coach Haba. merci à vous. Merci à Et vous notre euh, jeune, nos jeunes sportifs qui nous ont quittés, euh, merci également à eux. merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. À très bientôt pour un numéro de Tous à la Fada. Au revoir. Yeah.